Merci beaucoup. Euh, je pense que ça s'articule en fait euh, quand on parle de euh, de syndicalisme, on est tout de suite dans le, dans le milieu du travail. Mais euh, avant de, de, de, de, revenir sur le sujet, je voudrais sincèrement te remercier, Absa, euh, et te féliciter euh, de, cette organisation. Ça n'a pas été facile, mais vraiment, je pense que là, tu, tu, nous permets de reposer finalement les vrais débats qui, qui, se, qui, sont à la base de toutes ces organisations que nous, que nous faisons au mois de mars. Donc, vraiment, félicitations. Merci euh, vous m'avez aussi permis de revoir Mme euh, Madame Gonessar, euh, que j'avais rencontrée lors d'enquête de terrain. Je suis socio-anthropologue, je fais encore du terrain. Et donc, donc, donc voilà, merci pour tout cela. je vais revenir. Ngone, damay bay sur comme ça, damay nga xamné affaire aux femmes et tout ça ce n'est pas seulement une affaire d'élite et il faut qu'on le comprenne. Il y a quelques éléments importants sur lesquels il faut qu'on s'accorde. Euh, depuis tout à l'heure, on a opposé, ou on a présenté différentes séquences, mais ce qu'il faut savoir, c'est que... Euh, la question de li may wax wax ko ci ba la question de l'autonomie décisionnelle elle est importante et c'est revenu dans les discours parce que aujourd'hui on ne peut pas ignorer les nouvelles figures de l'émancipation féminine qui se construisent ngone li ngay wax noonu femmes dañuy émanciper wu pour mal sen bop lolou mënuñu ko nier buñu né dañuy wax waxu féminisme d'ailleurs boy wax sax ay affaire avec peut-être c'est assez anecdotique de dire ay yónne togal na 100000 mille di affaire mais ce qu'on n'a pas fait comme travail et euh, qui, qui, rend, euh, qui, maintient l'invisibilité du travail et de la contribution économique aux des femmes au budget familial, c'est que contribution quotidienne aux familles, d'une qu'on co mesurer, les budgets, ce que nous appelons nous les budgets familiaux, on ne le mesure pas assez. Parce que souvent on dit que c'est clair. Parce que le truc c'est que vous faites si on, en fait, et on se fait avoir par euh, la, la question de l'autonomie résidentielle. Parce que justement, dans dans un couple parental, on va dire que c'est le, mari, l'époux qui fixe la, la résidence. Mais aujourd'hui, Amna femme au nom de Sakbi Abidja, le tout à l'heure il y a Nyom euh, euh, euh, dañuy sagal seen jëkkër yi ñëpp defe jë jarbaat yeeg ñëpp defe koor jë gi moo moom kër gi ñew wéeru ci kaw femme alors que au quotidien bo xolé mom contribution bi muy indi dina dépasser largement le le, le ce que donne euh, le les ce que donnent les hommes ce que contribuent les hommes chefs de ménage à la fin du mois xam nga jox la ben 50000 000 ngay jog ak di daanu ci ba weer bi dé bokul ak chaque jour ngay xey di set loy compléter bo jógee marché ñew tok et ça on ne le mesure pas assez et tant qu'on n'aura pas fait ce travail on va continuer à dire que les femmes et donc, quelquefois, on peut aussi, en documentant cela, voir comment on peut agir sur la manière dont il faut penser euh, le féminisme aujourd'hui, notamment dans, nos contextes. Ça, c'était quelque chose qui me semblait important à dire par rapport à l'autonomie décisionnelle. Un autre élément, euh, je pense que c'est revenu assez souvent, mais... Nous, euh, on, critique le féminisme à l'européenne et pourtant nos références sont souvent cela pourquoi bah, Moi, ma référence, ce n'est peut-être pas... Euh, euh, c'est plutôt Chimamanda euh, Adichie, par exemple, qui dit, nous sommes tous féministes, et ça a été beaucoup repris, elle dit très clairement, je suis une femme, j'aime les hommes, je porte des talons, je, suis, je me maquille, mais je suis féministe, parce que je défends la cause des femmes. Et aujourd'hui, il faut aussi que, comprendre qu'être féministe, ce n'est pas renoncer à sa féminité, absolument pas. Donc voilà, et aujourd'hui, quand on, on vous... Oui, mais t'es féministe, needs to take it Il y a des étiquettes qui sont comme ça collées aux féministes et on nous voit toujours comme des femmes aigries, euh, euh, euh, qui, enfin, voilà, seules. Parce que, et ça, ça me permet de, revenir à, l'histoire du syndicalisme. l'histoire du syndicalisme dans le système éducatif est très large. Je ne vais pas pouvoir l'évoquer, mais je vais parler de mon expérience de, en tant que syndicaliste au niveau de, l'université. Euh, à son de Ziguinchor et, plus globalement mon engagement de manière générale pour les causes des femmes. Je dis parce que justement, euh, pour moi, comme je dis, penser le syndicalisme au niveau de l'enseignement supérieur, c'est aussi penser la place des femmes dans l'enseignement supérieur. la faible représentation des femmes au niveau des, organisations syndicales euh, n'est que le reflet de la faible représentation des femmes au niveau de l'université. ñaata prof lañu ñaata prof lañu oui, c'est très variable selon les universités. et ce qui est paradoxal, c'est que bo les niveau d'études c'est vrai euh, euh, euh, aujourd'hui quand tu vas sur des niveaux on va dire secondaire primaire les filles sont plus présentes lors des premières années aussi bois les filles sont plus présentes mais plus tu avances moins tu retrouves de filles mais même doctorat personne n'a envie d'être enseignante chercheur personne ne t'envie tu ne fais que bosser tu euh, es donc voilà en fait tout ce qui ferait ta féminité finalement est absorbé par l'université qui paradoxalement en son sein te voit quand même comme une femme et quand je dis l'espace universitaire c'est que d'expérience moi je sais la lutte la, la réformes des titres quand on a commencé à se battre pour la réforme des titres j'étais alors coordonnatrice du SAES e à Ziguinchor mais ni tay ñëw xol ma ne ma mais Fatoumata jigen du xex yenn xex yi donc ma xol ko mané ko ça dire que jigen warul am conviction xam nga lan la ma tegal su yéen nag rek ngeen indi sen affaire ou genre yoy ak affaire yi waxeewu ma fof mané ko mais si tu me dis de renoncer à un combat pour euh, la réforme des titres qui permettent en fait euh, qu'à ce que euh, on puisse être ce aux standards internationaux man digen waruma xex et loolu en fait c'est c'est c'est vraiment euh, euh, c'est c'est c'est euh, le mooy wane le fi nga xam ne foofu la ñu teg enseignement supérieur de manière générale mais bu ñu ba syndicat syndicat un syndicat la jigéen à part Awad à qui je rends, hommage, mais et, dans le milieu du travail, euh, euh non, et l'autre, euh, Djong, Bahao Djong. Donc, à part Nyom, quand nga gis mouvement syndical à la tête d'un syndicat comme ça sinon les femmes ont toujours des rôles subalternes au niveau des syndicats ay secrétaire adjoint wala euh, ñi si nga ou chargé non chargé de comme sax chargé d'organisation qui ay yoy donc ah, euh, oui ay mobilisation enfin il y a pas il n'y a pas de comité femmes au niveau des syndicats, mais on parlait de chargé d'organisation. Et par exemple, au niveau du Sud-Est, parce que parler du syndicalisme dans le système éducatif, c'est aussi faire d'une certaine manière l'histoire du, du Sud-Est, parce que c'est le seul syndicat qui soit représenté à tous les niveaux euh, du système éducatif, c'est-à-dire du primaire jusqu'à jusqu'à jusqu'à l'université. Et donc, euh, ce syndicat a euh, une euh, cellule genre. Mais et ça, c'est assez problématique parce que la question des cellules genre, on va mettre aussi bien à l'université, on a parlé de mettre en place des cellules genre, mais souvent on dit, ben, c'est une femme, oh, oui, oui, oh, c'est une cellule genre, on donne à une femme. Sauf il y a des femmes, qui ont un problème elles ne sont pas féministes. C'est pas parce qu'elles sont des femmes qu'elles sont d'office féministes. Donc, oui, pour, exactement. Ça, tu le dis très bien. Certaines sont même antiféministes. Et donc, à partir de ce moment-là, quand on en fait, elles ne peuvent pas défendre la cause des femmes. Et donc, ça me permet en fait de dire que finalement, quand on voit les syndicats, la, place des femmes dans les syndicats, c'est de ça qu'il s'agit finalement. Mais les syndicats n'adressent pas en réalité des problématiques spécifiques ou les préoccupations yudigeni, spécifiques aux femmes. Les syndicats ne le font pas, en tout cas pour l'enseignement supérieur, parce que tout simplement, on a considéré l'université comme un espace égalitaire. Mais moi, je parle d'utopie égalitaire parce que tout simplement, en termes de mode d'accès à l'université, nous sommes euh, évalués de la même manière, c'est-à-dire euh, un doctorat, etc. On est recruté sur, la, sur les mêmes bases, mais en réalité, quand il s'agit de faire carrière, nous ne sommes pas logés à la même enseigne, nous n'avons pas les mêmes disponibilités. Et au niveau des syndicats, on ne pose pas les problématiques spécifiques aux femmes. C'est-à-dire que le, problème, c'est que euh, pour que les, à, mon, sens, hein, pour que les voix des femmes soient, soient audibles, il faudrait qu'elles puissent aussi avoir le courage d'être dans ces syndicats et de parler et de euh, d'oser poser les problématiques qui leur sont spécifiques. Parce que finalement, le problème aussi et ça, c'est vraiment le paradoxe de, l'activité syndicale, c'est que c'est une activité qui est très prenante, etc. Mais au-delà de ça, c'est que c'est une activité qui n'est pas, qui pas euh, attractive, elle n'est pas valorisée et elle n'est pas valorisante quelquefois. Et là, on en revient à la question de la protection et de la déprotection dont tu parlais, euh, Célie. De la même manière que les féministes sont, sont, sont, ont peur parce qu'elles subissent des pressions, mais quand tu portes certains combats aussi, tu n'es pas à l'abri, en fait... Euh, euh euh, menacés, euh, euh, intimidés et là, c'est quelquefois là aussi, il faut que, les que j'interpelle un peu les organisations euh, féministes qui doivent aussi protection. Parce que quelquefois, pourquoi les femmes ont peur bah, Aujourd'hui, il y, a des faits nouveaux. On parle de violences basées sur le genre. Mais sur la question des violences sexistes dans l'enseignement supérieur, personne n'en parle. Quand on ose en parler, qu'est-ce qui se passe Ça se devient un tollé, ça devient... Et finalement, on, le, le, problème, c'est qu'on on, on, on on ne, s'arrête pas sur le problème, on ne va pas discuter de la problème, du problème de ces violences sexistes, mais on va voir mais qui a porté... En fait, Fatoumata, elle est toujours en train de poser des problèmes, elle est activiste, elle est ceci, elle est cela. De toute façon, Amoul elle n'est même pas concernée par l'effet de harcèlement, personne ne la drague, etc. Enfin, c'est de ce niveau-là. <laughs> Donc, voilà. Et c'est vrai, c'est que j'ai découvert que, que ma vie privée, ma vie intime intéressait au plus haut point le jour où j'ai été coordonnatrice euh, de, la, de la section SAES e de, de, où, finalement, je, euh, je, n'avais plus de vie privée parce que tout simplement, euh, voilà, elle, devait être étalée. C'est bien parce que j'ai le temps, je n'ai rien d'autre à faire. Et donc, de ce point de vue-là, j'ai le temps de m'agiter pour, pour, les problèmes des autres. Pour dire tout simplement que, justement, quelquefois aussi, les, femmes ont peur parce que, justement, quand c'est d'une certaine manière, dénoncer, c'est aussi s'exposer sans avoir la garantie de la protection. Et ça, c'est quelque chose d'assez problématique. Entre les, les, soutiens, les, pétitions de principe autour des, soutiens et tout ça, et la réalité de l'accompagnement, quelquefois, il, y a, il y a un pas. Vous savez, euh, je suis vraiment désolé. j'aurais pu en parler pendant des heures, mais je vais terminer assez rapidement, juste, <laughs> Madame la modératrice, si vous permettez, sur euh, le fait que, finalement, quels sont les facteurs qui, explique la désyndicalisation des femmes. Euh, il, y a plusieurs choses. Hein. Il y a d'abord peut-être la méconnaissance des femmes des avantages de la syndicalisation. Parce que finalement, quand vous regardez, il y a, certains euh, avantages et certains privilèges à être syndiqué. C'est justement quand on est syndiqué à certaines positions qu'on peut avoir certaines garanties au nom du syndicat, on ne vous touchera pas. Donc, donc, donc voilà, la protection que le syndicat devrait aux autres, euh, euh, finalement, elle va vous l'appliquer. C'est aussi, quelquefois quand même, il faut, reconnaissons-le, quand on est à certains niveaux, il y a de la, des, euh, de, la sinécure, il y a des privilèges liés à, cela, notamment rien que par exemple le fait que l'on puisse euh, euh, bénéficier d'une décharge horaire, parce que tout simplement on est responsable, rien que ça. Ce sont, et, d'autres privilèges encore, parce que ce qu'on ne dit pas, c'est les liens, et c'est peut-être ce qui refreine les, femmes, c'est le lien entre politique et syndicat, mouvement politique et, syndicat. Quand on regarde un peu les profils des des secrétaires généraux, parce que euh, pour la plupart ce sont des hommes, enfin dans l'enseignement supérieur de toute façon ce sont les hommes, euh, voilà, on pourrait s'interroger sur leur acquaintance avec, euh, avec les, les, partis politiques, avec euh, le parti au pouvoir ou les partis d'opposition et quelquefois euh, les, les, militants, que ce soit les hommes ou les femmes d'ailleurs, se retrouvent embarqués dans des, dans des batailles qui, au nom de, de, leur protection ou de l'amélioration de leurs conditions de travail, alors que derrière, il y a d'autres enjeux qui ne sont des implicites, des impensés qui relèvent en fait du, du politique. Il y a aussi la crainte des représailles, je le disais, le manque de temps en raison des charges sociales et familiales et surtout euh, le caractère masculin de la culture syndicale. Quand je dis le, caractère masculin de la culture syndicale, les réunions syndicales, c'est jusqu'à pas d'heure. Quand on a des contraintes pour euh, euh, se dire, ben, il faut que je rentre chez moi, etc., et si on n'a pas peur d'être stigmatisé, rentrer chez soi à 2h, 3h du matin, ça, sans avoir, sans se soucier de ce, du quand dira-t-on, ce n'est pas donné à tout le monde. Et il y a le style du discours, parce qu'il y a un jargon, il y a un jargon syndical que, que, que l'on apprend, que l'on acquiert, mais regardez, ça s'acquiert, euh, c'est comme une sorte de, au cours de la socialisation, comme une sorte, quand je parle de, culture syndicale, c'est que ça s'apprend. Euh, le, passé, quand on regarde un peu euh, la trajectoire de ceux qui sont des, euh, pour la plupart des, des, responsables syndicaux, ils ont, ils ont milité très jeunes. Nous sommes toujours engagés sur plein de causes, les causes étudiantes, etc. Enfin, voilà. Donc, on apprend, on se socialise comme ça. Et donc, du coup, on, sait euh, comment faire. Dit Louise... Euh, avec les, les, différents protagonistes, négocier, enfin voilà. Il y a des compétences spécifiques qu'il faut avoir. Comme je dis sur la question de la parité, aujourd'hui on est dans la question, dans, dans, le nombre, et les compétences malheureusement des femmes, euh, ce, sont, ce sont des compétences, euh, euh, on va dire, qui font, qui ne qui n'honorent pas peut-être les femmes, la capacité à invectiver, à insulter, etc. Et voilà. Donc, je termine pour dire tout simplement que finalement, quand on quand on discute de cette question de l'activité syndicale au niveau du système éducatif, il faut voir que finalement, ce sont euh, les représentations sociales de la famille, ce qui fait l'essence de la féminité d'un point de vue euh, social, c'est-à-dire la capacité des femmes à se taire, à s'effacer derrière un homme. Et c'est ce qui prime. Et malheureusement, quand on le fait, en tant que femmes dans l'espace universitaire, nous cessons d'être des universitaires. Merci beaucoup.